Tout d'abord, les titres de ce journal. Niger d'une incontable délégation turque dans notre pays, une présence caractérisée par des séances de travail de haut niveau présidées par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman travaux en commission entre membres de la délégation et signature de convention entre les représentants de la Turquie et du Niger. Mission de suivi et de sensibilisation sur les enjeux de cette campagne agricole 2024. C'est dans la région de Maradi qui s'annonce cette campagne qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal par cette nouvelle, très bonne nouvelle, excellente nouvelle d'ailleurs relatif à ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, relatif plutôt dans, le, dans la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du Conseil des ministres du lundi 24 juin 2024, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP sous la haute direction de son Excellence le général de brigade Adraman Tiani, président du CNSP, chef de l'État, qui a décidé d'une réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. Ainsi, à compter du 23 juillet 2024 à 0 heure, sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit. Super 91, 499 francs CFA le litre. Gasoil, 618 francs CFA le litre. L'objectif visé par cette réduction de prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle des produits de première nécessité. Par conséquent, le, le, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invitent l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits et services conformément aux engagements souscrits. En tout état de cause, les services compétents de l'État sont instruits pour prévenir et réprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure. Restons à la présidence où le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Adramantiani, a reçu à son cabinet une importante délégation de la République sœur de Turquie. Elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères turc, Fidan Akan. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du CNSP du gouvernement ainsi que des conseillers du président du CNSP. Le résumé avec Loli Moutari Menassara et Askou L'axe miami ankara vient d'atteindre son point culminant avec le séjour à Niamey d'une forte délégation turque en visite de travail et d'amitié, conduite par Fidan Akan, ministre turc chargé des Affaires étrangères. La délégation a été reçue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Tchani. Au centre des échanges, le renforcement des relations de coopération entre le Niger et la Turquie sur plusieurs plans, dont celui de la défense et de la sécurité par rapport à la lutte contre le terrorisme et bien d'autres aspects concurrents au développement. E, e, Nous avons effectué une visite très importante au Niger aujourd'hui. Je voudrais euh, remercier Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence euh, Monsieur le chef d'État et les autres ministres. La Turquie va mettre en place tous les projets euh, afin d'améliorer, de faire mieux les relations entre le Niger et la Turquie. la Turquie est très sensible au sujet de la lutte contre le terrorisme. Et euh, ce fut un sujet qui, est, qui, est, qui instabilise euh, le Sahel. Et nous sommes prêts à partager notre expertise euh, quant à la lutte contre le terrorisme. Notre président a aussi les mêmes idées et nous sommes prêts à partager toutes ces expériences. La stabilisation et le développement du pays est très important euh, pour la lutte contre le terrorisme. Et euh, nous sommes prêts à partager et à coopérer avec euh, Niger qui est un pays ami et frère. Ben, e, depuis l'arrivée du CNSP, la coopération nigéro-turque n'a cessé de se renforcer grâce à plusieurs séries d'activités. Pour rappel, une importante délégation conduite par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Laminzen, a séjourné à Ankara en janvier 2024 avec le même objectif, celui de tonifier ses relations de coopération. Restons dans le même cadre avec cette séance de travail qui s'est tenue ce matin à Niamey entre le gouvernement du Niger et de la Turquie. La Turquie qui, est, euh, qui est venue au Niger avec une forte délégation conduite par son ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre est présidée par le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, Jocelyne Amoussou Issaque Issa. La Turquie est l'un des tout premiers pays à soutenir le Niger dans son choix de souveraineté. Cette forte délégation turque au Niger matérialise la force et la solidité de ce soutien. Un soutien que la délégation turque a affirmé solidifier davantage à travers cette rencontre de travail. Dans son mot introductif, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, après avoir dressé le bilan des appuis de la Turquie au Niger, s'est penché sur les domaines prioritaires de coopération pour le Niger. Nous allons prospecter et développer notre coopération dans le domaine des mines, de l'énergie, du pétrole, de l'agriculture, entre autres. Je voudrais souligner également la nécessité pour nous de tenir la seconde session de notre coopération mixte de coopération. Insuffler un nouveau dynamisme à cette coopération, c'est l'objectif visé, a dit le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances qui a insisté sur les relations historiques entre le Niger et la Turquie datant de plusieurs siècles et matérialisées par des vestiges à Agadez. Un pays ami et frère, résume Ali Mohamed Laminsen. La grandeur, l'importance de cette délégation montre à quel point ce pays accorde une importance de premier choix à ce que nous proposons à ce pays. Je voudrais me réjouir donc de l'excellence et du dynamisme des relations entre la Turquie et le Niger au nom du chef de l'État, le général Tchani. Je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais donc exprimer à votre haute délégation la reconnaissance du Niger et de son peuple pour les appuis multiformes que la République de Turquie apporte à notre pays. Je voudrais aussi remercier et témoigner de la gratitude du peuple nigérien et du gouvernement à l'endroit de votre pays pour la manifestation de la grande solidarité à des moments très difficiles, notamment au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Je voudrais également évoquer ici la nécessité de renforcer cette coopération économique que nous voudrions tous voir s'étendre dans le temps, dans la durée et dans l'efficacité. Nos attentes sont importantes. Le pays regorge énormément de ressources. Nous souhaitons que vos opérateurs économiques viennent en grand nombre investir au Niger. Toutes les facilités vous seront accordées de manière à ce que l'exploitation de ces richesses puisse servir nos deux peuples. Je voudrais aussi me féliciter de l'excellence et du dynamisme sans cesse croissant de cette coopération qui nous lie en particulier dans le domaine de la défense, ce qui explique aujourd'hui la présence forte de nos officiers supérieurs ici. Les défis qui nous sont imposés exigent que nous ayons tous les moyens, les moyens nécessaires pour assurer notre défense. Et nous savons que vous êtes à mesure de nous les assurer puisque vous le faites déjà. Je voudrais aussi euh, plaider pour la facilitation et une meilleure coopération avec donc, ces industries, notamment la bonne exécution des, contrats, la réduction des délais de livraison, et tout cela va permettre effectivement dans les échanges, euh, dans les commissions, de parvenir évidemment à la fixation de tous ces objectifs, bien sûr aussi à leur réalisation. Aussi, je voudrais recommander qu'il y ait davantage la mutualisation de nos efforts dans le domaine des stratégies communes pour vaincre le terrorisme que vous savez. Vous avez cette tradition évidemment de lutter contre le terrorisme. Le but, c'est de voir comment est-ce que, avec votre soutien et la détermination de notre armée, dont la bravoure est reconnue de tous, nous puissions arriver à l'objectif d'assurer la paix. Deux à trois éléments essentiels nous permettent de magnifier notre coopération. Le premier, vous êtes un grand pays travailleur, un pays qui a lutté, un pays qui a arraché sa souveraineté. C'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Et vous êtes un pays avec énormément de potentialités. Nous en avons beaucoup. Le ministre des Affaires étrangères de Turquie, qui conduit cette délégation, confirme les relations entre le Niger et la Turquie. Des relations très enracinées, a-t-il précisé. E, la délégation turque officielle, nous vous remercions sincèrement pour l'hospitalité dont nous avons euh, fait preuve ici. Les relations entre la Turquie et le Niger vont bien au-delà des relations d'État-nation, mais sont des relations fraternelles qui sont étroitement liées les unes aux autres. Nous avons des liens d'amitié, de croyances euh, qui sont très solides. Et ensuite, notre président de la République a euh, mis en place une vision, une volonté pour développer au plus haut niveau nos relations bilatérales avec le Niger et pour aller encore au-delà. Et à ce titre, en tant que ministre, en tant que responsable officiel, nous avons eu euh, d'intenses travaux réalisés pour nous demander comment est-ce que nous pouvons augmenter notre solidarité envers le Niger et développer encore davantage nos relations. Et ici. Nous avons chacun de nos représentants officiels qui sont euh, euh, venus dans votre pays avec des dossiers bien remplis pour contribuer à développer cette coopération. Servir leurs États respectifs par une coopération fructueuse, profitant aux États, c'est l'objectif final de cette coopération qui augure d'un bon présage pour le combat des autorités pour la souveraineté réelle du Niger. Après cette cérémonie officielle d'ouverture de la réunion de travail entre les gouvernements du Niger et de la Turquie, les deux parties ont procédé aux travaux en commission, trois commissions au total, sur la défense nationale, les mines, le pétrole et l'énergie et sur les échanges commerciaux. Retrouvons Jocelyne Amoussou et Issa Issa. Avant de commencer la séance de travail, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Niger et de la Turquie ont eu un tête-à-tête. tête à tête deux audiences, dont l'une entre le ministre en charge des Affaires étrangères, Bakariao Sangari, et son homologue turc, Hakan Fidan, l'autre entre le ministre d'État, ministre en charge de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Oumodi, et le ministre de la Défense nationale turc Yassar Gouler. Après ces tête-à-tête, têtes à à tête Trois commissions de travail ont été mises en place. Une sur la défense nationale qui regroupe les deux ministres, le chef d'état-major des armées du Niger, le général de brigade Moussa Salah Bormou et d'autres hauts gradés de l'armée nigérienne. Le président de l'agence turque de l'industrie de la défense, Haluk Gorgoun élargi à d'autres cadres de l'armée turque. Une autre commission a regroupé trois ministres du Niger autour du ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles Al-Parslan, Beraktar et ses cadres. Il s'agit respectivement du ministre des Mines, commissaire colonel Abashi Ousmane, du ministre du Pétrole, Mahmoud Mustafa Barkebako, et de la ministre de l'Énergie, professeur Hawa Amadou. Dans le cadre de la coopération dans le domaine du commerce, le ministre du Commerce du Niger, Asman Seydou, était en face du vice-ministre du Commerce turc, Osgur Volkan Agar. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour la réussite du combat pour la souveraineté du Niger voulu par nos autorités à travers ces séances de travail en commission qui dégageront des perspectives nouvelles de coopération pour le développement du Niger. Restons avec cette importante délégation turque au Niger qui, avant son départ, a également procédé à la signature de mémorandum d'entente de déclaration d'intention sur la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz naturel. Signature entre les ministres du pétrole du Niger et de l'énergie de Turquie, suivie d'échanges de cadeaux. La délégation a ensuite été raccompagnée par les ministres en charge des affaires étrangères, des mines, du pétrole et de l'énergie. ministre de l'Action humanitaire de gestion de catastrophes a présidé un atelier du comité technique tripartite urgence et développement. Il s'agit de dresser le bilan de trois années de mise en œuvre de ce projet ainsi que du plan d'action 2022-2023. Mariam Sapi. Soutien au mandat et aux capacités d'action du cité tenute. Le pilier numéro 2, partage d'informations, plaidoyer, influence sur les pratiques et le renforcement des synergies. Le pilier numéro 3, renforcement et accompagnement des acteurs au niveau déconcentré et décentralisé. Pour réaliser ces objectifs, le CTT à travers le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, a eu besoin d'investissements permettant d'assurer l'effectivité de la réalisation de ces activités. C'est dans une telle dynamique que, durant cette journée de travail, nous examinerons ensemble le bilan de la mise en œuvre du plan d'action et en tirer des leçons pour une consolidation des acquis et une amélioration des insuffisances. Ce sera par ailleurs l'occasion pour nous, membres du CTTNUD, de définir les pistes d'orientation en vue de l'élaboration conjointe du nouveau plan d'action. Après trois années de mise en œuvre, le bilan est jugé satisfaisant en général. Tout de même, il reste quelques détails à régler. C'est en ce sens que la ministre en charge de l'action humanitaire a rassuré les participants à cette rencontre de son implication personnelle et aussi et surtout de celui de son département ministériel pour aboutir aux résultats escomptés au grand bonheur des populations, surtout celles en situation de vulnérabilité. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP, Mme Baradjar Mokoye, a présidé ce matin la cérémonie de réception de contributions. Et ce sont des contributions à nature et en espèce de bonne volonté qui ont été enregistrées. L'élan patriotique se poursuit davantage au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP par la mobilisation des bonnes volontés qui se manifestent jour et nuit au compte du dit fonds. Dans cette démarche, hommes, femmes, jeunes et enfants, bref, personne n'est resté à l'écart. La présence des membres de Network Service le mercredi 17 juillet 2024 au FSSP en est un exemple. Ils ont tenu à remettre leur contribution qui s'élève à 5 000 francs CFA. Le Niger, depuis le 26 juillet 2023, a engagé un noble combat pour sa souveraineté totale. Ce que nous, jeunes, jeunesse du Niger, nous avons accueilli dès les premières heures. Aujourd'hui, nous venons à la présente cérémonie marquer notre contribution de manière significative à l'évolution et au développement de, notre chère patrie. Nous tenons en main ici un projet très vital à notre pays pour réaffirmer sa souveraineté et son intégrité. Nous espérons que ce message ira à l'endroit de nos plus hautes autorités, de nous permettre et soutenir les initiatives de la jeunesse nigérienne et nous redonner confiance en nous-mêmes en nous soutenant dans ces projets aussi grandioses que nous nous aimerions prendre part avec honneur et respect. Les personnels de l'Office du baccalauréat des équivalences et des examens et concours du supérieur OBEX, de l'Agence nigérienne des allocations et des bourses ANAB et de l'École des mines de l'industrie et de la géologie EMIG ont aussi apporté leur contribution au profit du FSSP. Il s'agit d'une somme d'un million cent francs CFA. C'est un honneur pour nous de venir vous remettre notre contribution qui émane de la base, c'est-à-dire c'est le personnel de l'OBEX, l'office qui a en charge le baccalauréat, les examens et les concours, l'ANAP, le service qui a en charge l'attribution des bourses, et l'EMIC, la grande école qu'on a qui, gère, qui forme en mine, industrie et géologie, qui s'est senti concernée par ce combat pour venir... Euh, donner cette contribution. Nous profitons pour lancer un appel pour tous les Nigériens qui n'ont pas réagi dans ce processus de le faire, parce que le combat est certes présent, mais il servira beaucoup plus le futur. Ali Baba Nachamsoudine, journaliste stagiaire à la radio-télévision Ténéré RTT, a apporté une somme symbolique de 5 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes là ici devant vous pour effectivement apporter notre modeste contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui se, relève effectivement d'un montant de 5 000 francs CFA que nous avions effectivement euh, euh, enregistré à partir donc de nos frais de taxi. Nous sommes convaincus de la bonne gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est pourquoi nous nous sommes dit donc de nous inscrire dans la même dynamique. Vous n'êtes pas sans le savoir que depuis l'avènement des autorités militaires au pouvoir, ces, derniers effectivement sont en train donc de, lutter inlassablement pour la bonne marche de notre pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous, nous nous sommes dit effectivement donc de les accompagner aux commandes du pays afin donc de rendre l'utile à l'agréable. Le FSSP a aussi enregistré la contribution du patriote Maman Jibo Ibrahim qui, à travers une note, s'engage à mettre à la disposition du FSSP une somme de 15 000 francs CFA de son salaire chaque mois et c'est là pour une durée d'un an. Il s'agit de M. de porter à la connaissance du Fonds de solidarité qu'il fait un virement permanent de 15 000 francs de son salaire aux autorités dans l'élan au profit du Fonds de solidarité. Toujours dans l'élan patriotique, le patriote Salus Boubacar Arzika SSP à travers des tableaux artistiques. Euh, c'est un acrostiche qui rend hommage au chef de l'État, son Excellence euh, le général Abdelrahman Chani, ainsi qu'à ses compagnons regroupés au sein du CNSP. Euh, au vaillant peuple du Niger, qui est aujourd'hui le symbole du souverainisme euh, sans oublier le Premier ministre Ali Mohamed Aminzen, euh, qui est un technocrate aussi pragmatique que dynamique. Euh, pour rendre l'utile à l'agréable, j'ai remis un tableau symbolique dédicacé à Madame la Présidente, témoignant de son, professionnalisme dans la gestion du Fonds de solidarité. Toutes ces mobilisations au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP témoignent une fois de plus l'engagement des Nigériens à accompagner les autorités du CNSP à travers le FSSP dans la reconquête de la souveraineté du pays. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste a procédé ce matin à Niamey devant un parterre d'invités à la présentation et au lancement de son site web rénové. Et sur le directeur général de l'ARCEP qui a présidé la cérémonie, Ismaël Doda Philippe Tchon. Être présent et communiquer sur Internet est devenu incontournable pour toute entreprise. Le web demeure aujourd'hui le premier canal d'information et l'autorité de régulation électronique et des postes ARCEP l'a bien assimilé. Ainsi, pour être dans la cadence de la globalisation, l'institution a songé à renouveler son site web, le www.arcep.ne, e, et les travaux ont été confiés à un comité afin de réfléchir sur une nouvelle monture du site web. Le projet que vous sera projeté est le fruit de plusieurs heures d'échanges et de confrontation d'idées. Ceci dénote de la volonté du directeur général tendant à moderniser l'ARCEP par l'introduction de services électroniques e-services pour simplifier et, accélérer les procédures proposées par l'ARCEP, offrant ainsi un gain de temps et une meilleure accessibilité pour les utilisateurs. Les résultats attendus étaient entre autres de fournir un site web attractif, un site conforme aux normes et standards internationaux, une charte graphique devant respecter celle de l'ARCEP, et de matérialiser les services rendus aux usagers. À travers la mise en marche de son site web, l'ARCEP s'inscrit non seulement dans la modernité, mais également répondre à une exigence légale. Nous célébrons un jalon important, le lancement du site web rénové de l'ARCEP, www.arcep.ne. E. Le nouveau site web n'est pas simplement une vitrine, il est une plateforme interactive et dynamique destinée à rapprocher les utilisateurs des communications électroniques de la Poste, les opérateurs, les professionnels de l'ARCEP. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs des communications électroniques de la Poste à consulter et utiliser régulièrement ce site. Faites-en un instrument de dialogue et de collaboration. Les outils qu'ils proposent sont là pour vous assister et vous guider, pour que nous puissions ensemble améliorer continuellement les services offerts à nos concitoyens. Il faudrait que le site web de l'ACEP a été rénové par une entreprise nigérienne dont l'expertise et la qualité de ses offres ne sont plus à démontrer. Les participants qui ont suivi avec intérêt la présentation du site ont tous exprimé leur satisfaction et ont félicité le directeur général de la CEP qui, par sa vision, permettra à l'institution d'être au parfum du numérique. À présent, le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du 14 au 17 juillet 2024 qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien. Suivez plutôt. Brave Nigériens Bénéficiant du soutien patriotique des populations civiles engagées, l'FDS se mobilise au quotidien pour asseoir un climat de paix sur l'ensemble du territoire national. En ce sens, nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont, dans le cadre de leurs missions opérationnelles de routine, conduit diverses actions d'envergure dans la période comprise entre le 14 et le 17 juillet de cette année. Voici un aperçu de ses activités. Dans la région de Tilaberi, sur la rive gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération al un calme relatif est observé dans la partie ouest du pays depuis un certain temps avec l'interpellation de plusieurs terroristes. Cependant, dans la zone de Abala, nous assistons à une recrudescence des vols de bétail et quelques incursions terroristes sur les axes routiers les jours des marchés hebdomadaires. Le 16 juillet dernier, un élément du poste militaire de reconnaissance de Inates, en patrie dans la zone, s'est accroché à une dizaine de terroristes à proximité d'un campement. Ce contact s'est conclu par la neutralisation d'un terroriste et la saisie de deux armes. Aucun dégât n'est à signaler dans nos rangs. Malheureusement, le reste des terroristes a pu s'exfiltrer. En outre, la veille, un terroriste ayant placé un engin explosif improvisé à la relève descendante du DPMR a explosé avec sa propre mine en cherchant à la désamorcer. Dans la même région, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, des patrouilles effectuées en début de semaine autour de Goundey, près de Dargol et dans la zone de Bankilare, ont permis de neutraliser 13 terroristes et d'en arrêter 29 autres. Cependant, des terroristes à moto ont attaqué le village de dosso kuregu situé à environ 13 km au nord-ouest de Kokorou, tuant 7 civils et volant du bétail. En cette douloureuse circonstance, les autorités présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes et les rassurent que des opérations sont en cours pour traquer et neutraliser les auteurs. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération d'Amissa, suite à des renseignements de sources concordantes faisant cas de convois récurrents de carburant transitant par Bolbol. Nos forces ont intercepté un véhicule transportant 42 bidons de 25 litres de carburant chacun, destinés probablement à la mobilité des bandits armés actifs dans cette zone. Malheureusement, les trafiquants ont pris la fuite avant leur interpellation en abandonnant la cargaison. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une reconnaissance offensive autour de Tassara a conduit à l'arrestation d'un malfrat à bord d'un véhicule avec la saisie d'une AK-47, de deux chargeurs garnis et de divers autres effets. Une autre patrouille a immobilisé un tricycle transportant 1515 litres de gasoil à l'embranchement de Keita. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, une opération menée en début de semaine à Zender s'est soldée par la saisie de plus de 2300 cartouches de cigarettes de diverses marques. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, les opérations de sécurisation sont menées au quotidien, en dépit de la vaste étendue de la zone. En effet, au cours de cette semaine, les patrouilles exécutées ont abouti à l'interpellation dans le village de Shirfa d'un bandit armé d'une AK-47. Il serait probablement en lien avec les groupes de bandits attaquant les paisibles orpailleurs. Lors d'une patrouille opérée cette fois-ci dans le secteur de Asamaka, Quatre individus de nationalité étrangère ont été capturés à bord de deux véhicules Hilux transportant des explosifs et des détonateurs. Les mises en cause ont été remises aux services compétents pour la poursuite des enquêtes. Aussi, dans le cadre de la lutte contre le banditisme, un véhicule impliqué dans plusieurs attaques en Algérie a été intercepté à Tabarkat. La recherche des complices des deux personnes interpellées a conduit à la saisie d'une dizaine de cartons de cigarettes. Dans la région de Difa, au secteur 4 de la force multinationale mixte FMM, un ancien combattant de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a capitulé en début de semaine en se rendant aux autorités de Toumour. Lors de sa reddition, il a remis une arme AK-47 munie de deux chargeurs garnis, ainsi que du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Les forces de défense et de sécurité encouragent tous les citoyens égarés qui ont été intégrés dans des groupes terroristes à déposer les armes et à rejoindre le camp de la vérité et du salut. Ceux qui souhaitent se rendre peuvent le faire auprès des autorités administratives locales ou des autorités traditionnelles l'fds rassure également que des mesures de réinsertion et de protection sont en place pour ceux qui choisissent de quitter les rangs terroristes et de contribuer à la paix et à la sécurité du Niger. Ces repentis bénéficieront d'un soutien pour reconstruire leur vie et réintégrer leur communauté dans un cadre sécurisé et bienveillant. Dans le secteur de Niamey, dans le cadre de l'opération Nkinkasa, une opération coup de poing a été initiée pour contrer la prolifération des points de vente de carburant de contrebande. Cette action a permis d'interpeller 21 individus et de confisquer 1225 litres de carburant ainsi que divers accessoires. De telles opérations se poursuivront pour assainir la capitale et éviter que ce carburant ne soit acheminé aux terroristes. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi. Chers concitoyens, les FDS réaffirment leur détermination à protéger le Niger et ses habitants contre toute forme de menace. La collaboration des citoyens est essentielle pour maintenir et renforcer la sécurité nationale. Pour toute urgence, veuillez contacter les forces armées nigériennes au 40-40 ou la police nationale au 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients engagés. La directrice adjointe du cabinet du Premier ministre, Mme Rekaïde Isaka, a présidé ce matin à Dosso l'ouverture de la première session du comité de pilotage du projet Pudurem. Plus de précisions avec Manal Sido et Harus Karba. À l'ouverture des travaux de cette première session ordinaire du comité de pilotage du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle, PIDIREM, qui se tient à Dosso, le gouverneur de la dite région s'est avesanti sur les investissements prévus au titre de sa région. Ce projet touchera 25 municipalités de notre pays. Pour notre région Dosso, il y a trois communes qui sont concernées, à savoir Dosso et Gaïa, qui vont avoir non seulement des financements, mais aussi des actions de renforcement de capacités. Et la troisième commune, la commune urbaine de Douchi, qui elle va recevoir une commande, le volet renforcement de capacité. Le montant total de financement des activités au niveau de ces trois communes s'élève à plus de 11 milliards. Pour le coordinateur national du projet, ces assises permettront d'évaluer les activités prévues. Le, le a démarré officiellement ses activités le 1er novembre 2022 pour une durée de 6 ans et avec un coût global de 252 millions de dollars, soit environ 140 milliards de nos francs CFA. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour euh, apprécier l'état d'exécution de ces activités qui, il faut le dire, euh, ont été largement impactées par la mise en œuvre des mesures transitoires édictées par la banque suite au changement institutionnel intervenu dans notre pays. Procédant au lancement, la directrice adjointe du cabinet du Premier ministre dira que l'objectif de ce projet est d'améliorer la résilience des populations et l'accès aux services de base. Il me plaît de vous rappeler ici les objectifs spécifiques majeurs assignés à ce projet qui sont soutenir les efforts de reconstruction suite aux dégâts occasionnés par les inondations de 2020, augmenter la résilience aux inondations dans les communes d'intervention par le financement d'investissements de réduction des risques, Améliorer l'accès aux infrastructures urbaines et aux services de base afin de répondre aux priorités des communes bénéficiaires. Et enfin, développer un programme d'appui technique pour renforcer les capacités des municipalités à améliorer la gestion urbaine quotidienne. Elle a ensuite remercié l'ensemble des partenaires techniques et financiers de notre pays, dont la Banque mondiale qui finance cet important projet de développement. À Agadez, le gouverneur de la région, le général de brigade Ibra Issa a présidé la réunion du Conseil régional de sécurité. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre qui a regroupé tous les acteurs. Moussa Efalei, Bachir Harouna. Le Conseil régional de sécurité s'est réuni ce jour mercredi 17 juillet 2024 sous la présidence du gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Issa, président du Conseil régional de sécurité. Au cours de cette réunion hebdomadaire, les gouverneurs de la région d'Agadez et les membres du Conseil régional de sécurité ont passé à revue la situation sécuritaire qui prévaut dans la région d'Agadez. Au cours de cette rencontre, des propositions sont prises pour garantir la paix et la qualité sociale dans la région d'Agadez. La réunion du Conseil régional de sécurité a rassemblé l'ensemble des responsables des forces de défense et de sécurité en activité dans la région d'Agadez. Sécurité toujours, le gouverneur de la région, le a quant à lui présidé ce matin la réunion du Conseil régional de sécurité où plusieurs questions liées à la sécurité des personnes et de leurs biens étaient au centre de cette rencontre. Abdullah Soumana Moussanouma conseil régional de sécurité donne son avis au gouverneur de la région sur les questions sécuritaires et propose des solutions à même d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens sur l'ensemble de la région. Le premier responsable de la région, président du dit conseil, a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'elles abattent. Le lieutenant-colonel Mena Boukar a salué la collaboration et la cohésion entre les FDS, mais aussi entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. Les résultats satisfaisants enregistrés sur le terrain illustre une fois de plus l'engagement du peuple nigérien en général et de celui de la région de Tilabéry en particulier à assurer sa souveraineté et son développement, a ajouté le premier responsable de la région. Le gouverneur a par ailleurs exhorté les forces de défense et de sécurité à renforcer davantage ce partenariat, mais aussi et surtout de maintenir le cap de la vigilance. Le lieutenant-colonel Mena Boukara a réitéré la disponibilité du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à œuvrer pour un Niger de paix, de sécurité et de prospérité. Entre autres sujets abordés au cours de ce conseil, la situation sécuritaire de la région et les préparatifs de la Journée nationale de l'arbre édition 2024 que la région a l'honneur d'abriter cette année le 3 août prochain. Plusieurs autres questions relatives à la vie de la région ont été abordées en divers. Le gouverneur de la région de Zender a lui également présidé ce matin la réunion du Conseil régional de sécurité. Plusieurs points étaient également inscrits à l'ordre du jour du Conseil. D'autres précisions avec Kassoum Moutari et Abdraman Mahasou. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre des membres du Conseil régional de sécurité de la région de Zander. Il s'agit de l'association sécuritaire globale dans la région, la circulation des personnes et de leurs biens et la fraude des hydrocarbures. Le Conseil régional de sécurité va se pencher également sur la situation globale des cas d'inondation arrestés dans la région et les préparatifs de la fête de l'arbre. Occasion pour le gouverneur de la région, le colonel Youssouf Labo, président du Conseil régional de sécurité, pour féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité pour les efforts qu'elles ne cessent de déployer nuit et jour afin de sécuriser non seulement la région, mais aussi toute l'étendue du territoire national. Il leur a demandé de redoubler de vigilances à tous les niveaux pour le bien de nos laborieuses populations. Le premier responsable de la région a en plus demandé une parfaite et efficace collaboration des populations avec nos forces de défense et de sécurité. Cette rencontre sera mise à profit par les membres du Conseil régional de sécurité en vue d'échanger sur l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir, au premier chef, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État. Dans le cadre de la campagne agricole, le préfet du département de Gazawa a effectué une mission de suivi et de sensibilisation sur les enjeux de cette campagne agricole 2024 qui s'annonce sous des meilleurs auspices. Gunga Gibrima. Il s'agit pour le préfet du département de Gazawa, à travers cette mission qu'il a conduit dans cinq villages de la commune de Gazawa, à savoir Bernin Dafas, Bardakoy, Rafa, Bernin et Golom, de constater l'effectivité de l'installation de la saison des pluies dans ces villages agricoles de son département, mais aussi faire l'état de lieu de la campagne agricole qui s'annonce encourageante. Une saison avec son corollaire de conflits entre agriculteurs et éleveurs, ce qui a d'ailleurs poussé la délégation préfectorale à aborder au cours des échanges avec les communautés ce sujet. Mahamadou Al-Zouma a appelé ces communautés à favoriser le dialogue et la concertation, gage d'une coexistence pacifique entre les communautés. Il a en outre exhorté les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé. Nous avons constaté que la campagne est effective, s'est installée. Le stade des semis pour le 1000, c'est la montaison pour Niébés, c'est la croissance ramification. nous avons constaté qu'à quelques endroits, des attaques de la Chine, ces attaques ont été maîtrisées. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, le général de brigade Chani, le premier ministre, d'excellence Ali Mohamed Lamidin, pour euh, tout ce qu'ils font euh, dans le cadre de l'assistance à la population, mais aussi dans le cadre de l'assistance pour une campagne agricole nous avons beaucoup, avec les FDS, échangé avec la population sur la puissance pacifique, agriculteurs, éleveurs. Le préfet du département de Gazawa a transmis le message de salutation du président du CNSP et du Premier ministre et a exhorté les populations à promouvoir la paix, la sécurité et l'unité des Nigériens. Dans la région de le gouverneur de cette région a présidé ce jour du 7 juillet 2024 les opérations de vote du chef de groupement Bororo de Godjonkoy dans le département de Tintabaraden. Cette élection a été organisée en présence des autorités administratives et coutumières. James Didier, Madika c'est l'ensemble de la préfecture de Tientabraden qui a servi de cadre aux opérations de vote de l'élection du nouveau chef du groupement Pel Borro de Gojankoy, situé dans le département de Tientabraden. Une cérémonie marquée tout d'abord par l'installation des membres du bureau de vote présidé par le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Omar Tawai, qui, après la présentation par le directeur régional de l'état civil de toutes les procédures administratives et règlement résistants, l'élection d'un chef de groupement, la présentation des bulletins de vote aux 24 chefs de tribu, le gouverneur Tawa a parrainé ainsi ces opérations de vote. Après le mois, l'ensemble des 24 électeurs que sont les chefs de tribu ont accordé leur suffrage au candidat unique Boubacar Zoumou qui devient le nouveau chef du groupement Borro de Dongojankoy. Le candidat Boubacar Zoumou, ayant obtenu la totalité de suffrages, donc exprimables, est élu chef de groupement Peul de Kojin Koi. Occasion mise à profit par le gouverneur de la région Tawa de rappeler également au nouveau chef élu la lourde responsabilité qui l'attend. Vous devrez considérer tout le monde comme vos sujets, vos administrés. Donc vous devrez faire en sorte que vous réunissez votre communauté, toutes les tribus. Nous vous félicitons encore une fois de plus d'avoir euh, obtenu cette prouesse des 24 chefs de tribu qui ont voté pour vous. Et j'espère qu'ils vont vous aider, comme ils vous ont plébiscité, à administrer votre groupement dans les bonnes conditions. Dans la même foulée, le chef de canton de Tawa, Mohamed Moussa, président de l'association régionale des chefs traditionnels, a également produit des conseils pleins de sagesse au nouveau chef élu dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, notamment la défense des intérêts de sa communauté l'engagement pris ici par le nouveau chef. Je travaillerai avec le chef des tribus de notre chefferie pour ce rayonnement. Monsieur le gouverneur, transmettez au président du CNSP tout notre engagement pour le soutenir dans les efforts pour le renforcement de la paix et de la sécurité. Il faut rappeler que le nouveau chef du groupement Peleboro Boro de Gojankoi est âgé de 34 ans et enseignants de formation. De la culture dans ce journal, dans le cadre des préparatifs de la semaine culturelle Niamey 2024, une équipe de la station régionale de Dosso s'est intéressée sur le sujet de ces préparatifs au titre de la région de Dosso. Le reportage est signé par Sido et Habib Garbakou. Afin de renforcer la cohésion sociale et valoriser davantage nos cultures, le CNSP a, à travers le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, initié une semaine culturelle qui débutera ses activités le 26 juillet prochain. Ainsi, au niveau de la région des Dossaux, les préparatifs se déroulent normalement selon le directeur régional de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports. La semaine culturelle, le ministère a énuméré certains éléments emballés et en champ. Ce qui concerne la région de Dosso, en à il y a le Balé Gossi, à Mahalba, de Medawa, de Douti et d'Ambankarif et de Gaïa qui ont été retenus. Et en champ, il y a Dangekokia des Gaïa. Avec les autorités régionales, nous avons choisi Dambankarif en Balé et Dange en champ. Parlant de l'accoutrement des différentes troupes, tout est fin prêt grâce aux efforts du ministère et des autorités régionales. Par rapport aux accoutrements pour les deux éléments, nous sommes à 100% satisfaits parce qu'avec l'appui du ministère et le concours aussi du gouverneur de la région de Dosso, on arrive vraiment à satisfaire les besoins qu'ils nous ont exprimés en accoutrement. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à 92, voire 93% des taux d'exécution de ces deux éléments. Parce qu'il y a un instrument qui, manque, qui est le goguet. D'ici le samedi, il sera là pour euh, finaliser les champs et les balais. On a le soutien des autorités régionales. Notons enfin qu'au niveau de la région de Dosso, le champ retenu est d'Angaï Kotio. Quant au balai, il s'agit de Dambeng dans le cadre des préparatifs de la semaine culturelle à l'occasion de l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la troupe culturelle de Tilaberi se prépare activement également pour une bonne participation à Une de nos équipes conduite par Zibel Namarka nous donne un bref aperçu des préparatifs des spectacles. C'est juste un avant-goût avant de découvrir dans toute sa splendeur la troupe culturelle de la région du fleuve qui enrichira la semaine culturelle de l'an 1 de l'avènement des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Al-Adomou est un rappel de nos anciennes valeurs socio-culturelles qui refait surface car la jeune génération doit s'imprégner des messages forts que ces chants et ballets véhiculent. Tilaberi, véritable grenier culturel, se fera le plaisir de prester un ballet à travers Borguinei, présenté lors du Festival de la jeunesse de 1980 à Niamey. Le choix de ce ballet n'est pas fortuit. Les répétitions se déroulent normalement. Nous avons choisi euh, Sonny Alibert car ce n'est pas un choix fortuit. Ce grand guerrier a combattu pour l'espace Songhai, un espace qui regroupe aussi les États de l'AES, notamment le Mali, le et le Niger. est le chant qui a été retenu et a été chanté en 1981 lors du festival de la jeunesse de Difa. les répétitions se déroulent normalement conformément au calendrier établi de concert avec la direction régionale de la jeunesse, de la culture, des arts et des sports et les acteurs. Par rapport aux répétitions, en tout cas, euh, nous sommes prêts. Maintenant, ce qui nous reste peut-être, c'est les petites retouches, c'est les pas, en tout cas, c'est un peu les, coordinations, les gestes. Donc, euh, c'est ça. Mais pour ceux qui, en tout cas, de l'accoutrement, euh, du matériel, en tout cas, tout est acheté et Inch'Allah, il n'y a aucun problème. Et le moral également de la troupe est haut. Et aussi, nous profitons de cette occasion pour remercier aussi le gouverneur. Une œuvre, elle n'est jamais parfaite, mais que quand même, nous avons constaté ce qui est comme comment nous allons l'arranger. Et d'ici là, Inch'Allah, comme vous l'avez dit, euh, Tilabéry sera ovationné. La troupe compte euh, faire une très belle prestation afin de contribuer véritablement au rayonnement de la culture nigérienne tout en transmettant le message de souveraineté. À DIFA, c'est la célébration ce matin de la Journée internationale de lutte contre la drogue. Au programme de cette activité, placée sous la présidence du gouverneur de la région de DIFA, l'incinération d'une importante quantité de drogue et autres stupéfiants saisis par les autorités et qui a sanctionné la cérémonie. Adraman Boukari et Kabir par ce geste, la région de Difa vient ainsi de célébrer la journée internationale de lutte contre la drogue à travers l'incinération de cette importante quantité de drogue saisie et placée sous scellé au greffe du tribunal de grande instance de Difa. Nous avons 38,25 kg de cannabis, 134 briques et 1345 cornets. On a 6709 comprimés de diazépam, 7905 comprimés de tramadol et environ 4542 comprimés d'exol et autres drogues. Une occasion pour le gouverneur de la région de Difa de réitérer l'engagement des autorités régionales à accompagner les services compétents dans la lutte contre ce fléau. Un pays comme le Niger qui est en quête de sa souveraineté, qui est en quête de son développement économique, ne peut pas se permettre d'accepter la circulation, la consommation de la drogue. Et c'est pour ça que je voudrais profiter de votre micro pour non seulement réitérer notre soutien à l'action de la justice, mais surtout en appeler aux forces de défense et de sécurité hein, afin qu'elles redoublent fort dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue dans la région de Difa. A noter qu'à cette cérémonie organisée par le tribunal de grande instance de Difa, l'on notait la présence des autorités administratives et communales ainsi que celle de l'ensemble des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité en poste dans la région de Difa. Je le disais en début, début, du journal, cette bonne nouvelle, se communiqué du secrétaire général du gouvernement, dans la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du Conseil des ministres du lundi 24 juin 2024, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous la haute direction de son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, président du CNSP, chef de l'État, a décidé d'une réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. Ainsi, à compter du 23 juillet 2024 à 0 heure sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit. Super 91, 499 francs CFA le litre. Gasoil, 618 francs CFA le litre. L'objectif visé par cette réduction du prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle des produits de première nécessité. Par conséquent, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invitent l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits de services et services conformément aux engagements souscrits. En tout état de cause, les services compétents de l'État sont instruits pour prévenir et réprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure. Nous arrivons à présent au traditionnel journal de l'Alliance des États du Sahel et c'est en partie magazine de cette édition. Bonne réception à toutes et à tous directeur du cabinet du président du FASO remet le code d'éthique et de déontologie ainsi que l'arrêté portant organisation et fonctionnement du comité anticorruption de l'institution au chef de l'État. Un exemple là, venu du haut, cinq jours après le discours du président du Faso aux forces vives de la nation, dans lequel le capitaine Ibrahim Traoré annonçait des mesures de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption dans l'administration publique. Deux arrêtés ont été pris un arrêté portant adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour le personnel à la présidence du FASO, et un deuxième arrêté portant organisation, fonctionnement de, du comité de lutte contre la corruption, comité anticorruption. Donc ce qui a prévalu cela, c'est bien sûr pour asseoir une dynamique formelle afin d'encourager tous les agents à partir de la présence du FASO et ailleurs à promouvoir les bons réflexes, les bons gestes, les bonnes actions pour lutter efficacement contre la corruption et également avoir des actes citoyens, des actes d'éthique qui permettront à notre nation de mieux se porter dans l'administration et de manière générale dans la vie. Donc c'est ce qui a motivé nous mettions en place ces outils que nous avons transmis fidèlement ce matin à son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Le code ne remplace pas la loi, précise le directeur du cabinet. Il donne des notions de bon sens et encourage les bonnes actions. En cas de manquement, il y a déjà des textes qui précisent euh, les, sanctions qui sont prévues. Le code s'évertue à donner des notions de bon sens et de bonne action. Mais pour les manquements, il y a tout ce qui concerne le code de procédure pénale et tout ce qu'il y a aussi comme statut particulier réalisé par les institutions dans lesquelles se trouvent les dispositions prises en cas de manquement ou de non-respect d'une ou d'autre règle. La mise en place du comité vise à faciliter la dénonciation des actes de corruption et les manquements et à renforcer le rapprochement entre les agents et les responsables dans l'intérêt du service public. notre première réunion inaugurale qui rentre dans le cadre d'une réunion de concertation, de concertation entre les, ambassades des pays de, de l'AES au niveau d'Abuja ici. Il s'agit pour nous d'avoir un même point de vue sur les questions qui concernent nos trois pays, sur euh, le plan international et vis-à-vis de la CDAO aussi, donc euh, pour coordonner nos points de vue et pour avoir euh, une même euh, approche pour adresser les différents problèmes. Et notamment, ce cadre servira aussi de cadre de conseil à nos pays respectifs. L'ordre du jour était campé sur trois points essentiels. Le premier point, c'est comment réfléchir pour mettre un cadre de concertation de nos trois ambassades euh, euh, sur place, ici à Abuja. Le deuxième point, c'est réfléchir sur euh, le retrait de la CDAO en termes d'impact pour nos compatriotes vivant d'abord dans la communauté de la CDAO et nos compatriotes qui servent au sein même des instances de la CDAO à Abuja. Ce qu'on peut retenir euh, de cette rencontre, c'est que déjà on a pu mettre en place un cadre de concertation qu'on a appelé réunion de concertation des ambassades des pays de l'AES à Abuja. On a donné comme périodicité, chaque deux mois, on va se rencontrer. La prochaine réunion se passera à l'ambassade de euh, Burkina Faso. On a déjà calé la date de la, de la prochaine rencontre. L'espace médiatique malien avec plus de 400 stations radiodiffusion, une soixantaine de journaux, des médias en ligne et une trentaine de télévisions a toujours joué un rôle déterminant dans les grandes décisions de la nation. Avec la Confédération des États du Sahel, le quatrième pouvoir entend jouer sa partition. Notre rôle doit être euh, prépondérant dans la mise en œuvre euh, des objectifs et dans la réalisation des défis auxquels euh, l'AS fait face aujourd'hui. Alors les radios de proximité doivent communiquer euh, avec la population, les expliquer les enjeux l'importance et les défis euh, euh, de, de, de l'AIS. L'AIS, à travers la Confédération, a décidé de travailler sur trois axes à savoir la défense, la diplomatie et le développement. Alors, il est du devoir des journalistes d'expliquer cela à la population, quels sont les objectifs et quel rôle la population peut jouer. Parce que nous, notre devoir, c'est d'informer. On n'est pas là pour faire la communication. On est là pour informer, sensibiliser la population pour le bien-être d'un ensemble du pays. On est journaliste, certes, mais on vit dans un pays. On est obligé d'informer, de jouer notre rôle. Ça, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité de contribuer à la construction, au développement du pays. Dans la pratique journalistique, le travail professionnel des médias privés est aujourd'hui en adéquation avec le mécanisme de communication de la Confédération ISO. L'AES, en fait, est sur les